le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Vous êtes en direct euh, de Agname. Vous nous suivez sur les 99.4 ou les 100.0. Merci de rester en notre compagnie. Vous êtes à l'écoute du studio Kalangou, 18h passées de 15 minutes. Euh, c'est l'heure du forum présenté par Diallo Mariama Kenda. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés et relayés à travers le réseau des partenaires des radios partenaires à Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Zender, Tilabiri, Arlit, Filingé et Niami. Le forum du studio Kalangou, c'est cet espace d'échange où nous débattons des sujets qui préoccupent les citoyens. Pour ce soir, voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Le bureau exécutif national du syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN, a apprécié samedi dernier les nominations du président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'État. Il dénonce les nominations qui nuisent au caractère d'impartialité, d'indépendance et de neutralité de ces institutions. Les explications du secrétaire général du SAMAN, Ayouba Hassan. Par la suite, nous parlerons d'une de ces institutions en question. Il s'agit de la Cour des comptes. C'est quoi la Cour des comptes Vous entendrez le juriste Maïna Carté. Euh, sur un tout autre plan, les organisations de consommateurs membres du Consommeur international, dont l'ADDC Wadata, ont lancé une campagne remettant en cause les établissements de restauration rapide vis-à-vis de la résistance aux antibiotiques. Ces organisations demandent le boycott de la viande issue des animaux de volaille élevés avec des antibiotiques. La page culturelle pour terminer, musique et dépravation des mœurs, c'est une question qui fait polémique au Niger, plusieurs voix s'élèvent contre l'incitation au libertinage à travers certaines musiques. Réaction tout de suite. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à tous. Le Bureau exécutif national du syndicat autonome des magistrats du Niger a sorti hier soir une déclaration relative à la dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature le 9 septembre dernier. Le Saman a surtout apprécié les nominations du président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'État. Il dénonce les nominations qui nuisent au caractère d'impartialité, d'indépendance et de neutralité de ces institutions, les personnes nommées étant toutes des hommes, étant toutes des hommes politiques proches du pouvoir. Pour maquer sa désapprobation, le Saman décide d'observer une journée juste justice morte et demande à ses militants membres du Conseil euh, supérieur de la magistrature de démissionner. Le secrétaire général du Saman, Ayuba Hassan, explique au micro de Habibou Garba. Vous vous souvenez que le 12 août 2016 passé, le Ben Saman était sorti à travers une déclaration publique où on a eu à dénoncer quand même l'immixtion du pouvoir dans le traitement des affaires judiciaires, notamment la nomination de personnalités politiquement affichées donc à la tête de certaines institutions. Au lieu que cela serve de leçon, malheureusement, à la dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature, le pouvoir a enfoncé le clou en nommant des personnalités à la tête notamment de la Cour des comptes et du Conseil d'État. Nous, on a estimé que cela quand même est une violation grave du principe de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice parce que ces gens sont notoirement communis comme des partisans affichés. On ne peut pas admettre cela parce que c'est vraiment une confusion de pouvoirs. Alors, qui doit être nommé en tête de ces institutions Principalement, c'est d'abord les magistrats, parce qu'au Niger, contrairement à certains pays, on n'a pas de juge de l'ordre administratif. Donc, c'est nous, les juges judiciaires, de juges, de magistrats professionnels qui sont appelés à connaître donc de contentieux du droit privé et du droit public. Mais avec les nouvelles lois sur le juridiction, il est permis que des personnalités, à raison de leurs compétences en matière juridique, en matière administrative et financière, que ces personnalités viennent en appoint aux magistrats professionnels pour les aider, mais pas pour les diriger. Parce que là, ça veut dire que le magistrat, tu fais ta carrière, toi, toi, tu ne peux jamais être donc euh, président d'une haute juridiction parce que, bon, sous la bannière de ces personnalités connues pour leurs compétences, on, se permet de les nommer, on dit que non, il faut arrêter la dérive, quoi. Donc... Maintenant, que comptez-vous faire euh, une fois ce problème n'est pas réglé à l'armée Nous, on a demandé gentiment d'abord au président, qui est le signateur de ce décret, bien que bon, ça a été pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature, donc de rapporter ce décret, donc de retirer ce décret de nomination. Parce que ça discrédite l'image de notre justice et même de notre pays. Voyez-vous Donc, c'est pas comprendre que un ministre des Finances qui a eu à gérer, que l'ordinateur du, budget national vient aujourd'hui en tant que juge pour juger ses propres sa propre gestion. Vous voyez ce que ça fait Moi, je crois qu'on doit avoir du bon sens, quoi. Ça ne doit pas se faire comme ça. Un ministre des Finances <laughs> il est mal placé pour connaître de ses propres comptes parce qu'il est justiciable de ses comptes. Et si demain, on voit donc des irrégularités dans sa gestion, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va se récuser, qu'est-ce qu'il va faire Donc, d'abord, c'est ça. Ensuite, celui qui est nommé au Conseil d'État, d'abord, il a été nommé d'abord la Cour des comptes, on a dénoncé ça, maintenant on l'amène au, niveau du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est d'abord une juridiction qui connaît donc de tous ces actes-là que l'administration prend et aussi du contentieux de ces actes-là. Alors que lui, tout le monde sait quand même que c'est un candidat malheureux aux dernières élections, il n'a pas été élu. Maintenant, bon, on lui trouve un point de chute, on le balance directement donc président du Conseil d'État. Nous, on dit que non, ça aussi, vraiment, c'est maladroit, ça ne doit pas se faire. On connaît leur profil tous. Ils sont tous pour le président. Et le président, il est le président de l'exécutif. Hein. Il n'est pas le président de la justice, là. La Constitution a consacré quand même la séparation des pouvoirs. Il faut que les gens commencent à respecter les principes cardinaux de l'État de droit. La démocratie, c'est comme ça, c'est la séparation du pouvoir, c'est la volonté du constituant. Donc, il faut que les uns et les autres respectent cela. Donc, c'est ce que nous, nous dénonçons. Nous disons que si jamais cela n'est pas on ne rapporte pas les décrets qui le nomment. Nous, on va observer une journée, donc, euh, justice morte. Les modalités de cette euh, journée vont être définies ultérieurement si jamais les gens là ne reviennent pas sur leurs déclarations. On a invité aussi quand même tous les citoyens et pris de paix de justice et surtout pour l'indépendance de la justice, les défenseurs des droits de l'homme, pour qu'ils s'associent à nous, pour que les gens puissent défendre les principes cardinaux qui font de l'état de droit. Parce que c'est pas seulement pour nous magistrats, c'est pour la démocratie, la justice, c'est pour les citoyens. Voyez-vous, tout le monde a intérêt qu'il y ait une justice indépendante, qu'il y ait une séparation réelle de pouvoir pour que chacun puisse jouer son rôle. Nous, on dit qu'il faut que cela soit fait. On a aussi dit qu'effectivement, si les gens ils respectent pas cela, ils ne reviennent pas sur leurs décisions. On va aussi saisir les instances internationales parce que, bon, nous, on est affilié par exemple à l'Union internationale des magistrats qui aura déjà en octobre prochain une session à Mexico, à Mexique. On va donc euh, porter cette situation du Niger à cette instance qui regroupe tous les magistrats du monde et aussi parce que cette Union internationale magistrats est aussi affiliée donc euh, à certains organes des Nations Unies. Donc les Nations Unies aussi vont être informées et aussi les hautes juridictions d'espace francophone parce que on sait que les hautes juridictions du Niger sont membres donc de ces instances-là. Donc il faut quand même que toutes ces instances comprennent que les gens là qu'on a nommés, c'est pas ceux qu'on devrait nommer parce qu'ils sont jugés partis. On ne peut pas être jugé parti parce qu'ils garantissent aucune euh, euh, question d'indépendance, de neutralité, autre, parce qu'on connaît leur profil, on connaît leur parcours, on connaît aussi leurs affinités, leurs acquaintances. Donc vraiment, ils sont malvenus pour donc représenter le Niger au niveau des hautes de, de l'espace francophone. Avec euh, ces nominations de ces hommes politiques, à quel résultat peut-on s'attendre alors S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie, parce qu'une justice embrigadée, une justice aux ordres, c'est pas une justice. Nous, c'est pas ça notre combat. Nous, on veut une justice indépendante qui fait pas de distinction entre les citoyens, qui dit le droit conformément à la loi, sans parti pris. Mais les gens là, dont la neutralité fait l'objet de beaucoup de doutes, vraiment, on connaît leur appartenance politique, vraiment, les gens là ne présentent aucun gage d'indépendance pour nous. Ils ne peuvent pas faire l'affaire au niveau de ce hautes juridictions là. Depuis l'avènement de la démocratie en Afrique, avez-vous souvenance de ce genre de pratiques dans les pays voisins Bon, en tout cas, moi, d'ailleurs, à ma connaissance, non. Parce que c'est maintenant qu'avec le recul que nous, on a compris pourquoi beaucoup donc se sont agités pour euh, effectivement faire éclater notre ancienne Cour suprême. Parce qu'avant, ces éditions qu'on a érigées là étaient des chambres au niveau de l'ancienne Cour suprême. Et là, Forcément, c'est des magistrats professionnels qui étaient à la tête de ces différentes chambres. Maintenant, les personnalités, ne, ils ne peuvent venir en tant qu'experts, Mais maintenant, comme ils ont euh, créé ces éditions à part là, donc, ils saisissent de l'occasion pour le nommer à la tête de ce judiciaire. Voilà, c'est ça que j'ai compris après. Alors même que dans certains pays comme la Côte d'Ivoire et au Sénégal, les gens sont revenus justement sur l'éclatement de cette Cour suprême pour revenir à la Cour suprême, parce que c'est ça justement, ça unifie la jurisprudence et ça va éviter de nommer des personnels politiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces institutions sont indépendantes euh, de la, de la Cour suprême. En fait, Maintenant, il n'y a plus de Cour suprême. Il y a quatre juridictions. D'abord, la, la, Cour constitutionnelle que tout le monde connaît, qui connaît donc du contentieux électoral et, et tout le reste, là, tout ce qui est attrait donc à la Constitution et, tout le reste qu'on connaît déjà. Aussi donc euh, la Cour de cassation, qui est maintenant juge de matière judiciaire euh, avec les, autres chambres là. Et maintenant, le Conseil d'État, qui est une nouvelle juridiction administrative, et maintenant la Cour des comptes. Donc, c'est les, quatre juridictions là. Voilà. Donc, parce que ceux qui disent les textes de ces, de ces juridictions disent que les personnalités nommées là sont soumises donc aux mêmes obligations que les magistrats. Donc, ils sont assimilés à des magistrats. Ils bénéficient des mêmes avantages et soumis donc aux mêmes obligations. Alors que le statut de la magistrature dit clairement que nous, magistrats, on ne doit pas faire la politique. Voyez-vous Alors que ces personnalités, ils viennent du serail politique, ils viennent du pouvoir. Donc nous, ils ne peuvent pas être juges. Donc là, le citoyen doit comprendre ça. Donc les gens doivent nous aider justement à combattre cet état de fait parce que ça tue notre démocratie et personne n'a intérêt à ce que notre démocratie soit rabaissée à ce niveau-là. Euh, vous venez d'écouter le secrétaire général du SAMA, Nayouba Hassan au micro de Habibou Garba. Le bureau exécutif national du syndicat autonome des magistrats du Niger n'est pas du tout content des nominations opéré par le président de la République à la tête du Conseil d'État et de la Cour des comptes. Je l'annonçais tout à l'heure, selon le Saman, les deux qui ont été nommés sont tous des hommes politiques très affichés et ceux qui viole les dispositions des lois déterminant la composition ou le fonctionnement de ces deux institutions. Pour la Cour des comptes, il s'agit de M. Sidibé Seydou qui était jusque-là ministre des Finances. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que la Cour des comptes C'est l'une des questions que Amado Moumouni a posées au juriste constitutionnaliste Maïni Carté. Nous écoutons sa réponse. La Cour des comptes, c'est une institution juridictionnelle de notre pays qui est consacrée euh, par la Constitution en son article 141 et dont les attributions, le fonctionnement, l'organisation sont aménagées par une loi organique. Alors, au terme de la loi fondamentale, la Cour des comptes est la plus haute juridiction en matière des finances publiques. Elle a une compétence juridictionnelle, en ce sens qu'elle peut rendre des arrêts relativement à la question des finances publiques. Elle a une compétence de contrôle, en ce sens qu'elle est appelée à contrôler la manière dont les institutions publiques gèrent l'argent public et elle a une compétence aussi consultative, c'est-à-dire que les institutions publiques peuvent demander un avis de la Cour des comptes par rapport à telle ou telle action. La Cour a ces trois attributions-là. Donc, elle est si vous voulez, le juge des comptes de l'État et ses membres, toutes les personnes publiques, d'abord l'État en tant que personne morale, les collectivités territoriales, les établissements publics et entreprises euh, publiques, et d'une manière large toutes les institutions, tous les organismes qui bénéficient d'un concours financier de l'État ou de ses démembrements. Donc partout où il y a de l'argent public, la Cour des comptes est fondée à aller vérifier, contrôler, imposer l'orthodoxie judiciaire et budgétaire et garantir une certaine discipline budgétaire. Donc en un mot, euh, la Cour des comptes, elle est chargée d'imposer au pouvoir public une certaine discipline dans la manière de gérer les comptes de l'État. Et elle le fait bien C'est une question qu'on peut apprécier tous ensemble. C'est que sur la Cour des comptes, elle doit pouvoir imposer au pouvoir public une certaine démarche, une certaine euh, façon de travailler, parce qu'elle a un rapport qu'elle rend public chaque année. Et c'est dans ce rapport-là qu'on doit sentir la Cour parce qu'elle doit dire voilà les comptes qui ont été très bien gérés, voilà les comptes qui ont été très mal gérés. Voilà ce que je suggère, voilà ce que je décide, etc. etc. Et ce rapport-là doit être attendu. Il doit d'abord être largement diffusé, il doit être même partagé avec euh, les autres euh, citoyens, notamment la société civile, et ça doit pouvoir imposer un certain comportement aux acteurs publics. malheureusement, le rapport de la Cour de compte il est diffusé d'une manière anonyme. Il n'y a pas un mécanisme institué d'appropriation de ce rapport-là. Très peu de Nigériens comprennent le contenu. Je me rappelle l'année dernière, le président avait fait un point de presse sur cela, mais je pense que ça n'a pas été très très exhaustif. Il faut dire tous les comptes de l'État qui ont été mal gérés. Il faut une véritable indexation des mauvais gestionnaires de l'argent public et il faut des décisions à même d'amener à tous ceux qui détiennent une personne de pouvoir à travailler très bien. Le rapport de la Cour doit être une véritable interprétation, pas seulement pour ceux qui gèrent l'argent public, mais pour nous autres aussi citoyens. Donc je pense que ici, je lance un appel à la Cour elle-même, mais aussi aux différentes structures de la société civile impliquées dans la question de la transparence budgétaire à vulgariser largement le rapport de la Cour, à l'exploiter, à l'expliciter et à amener les citoyens eux-mêmes à attendre ce rapport et à faire des réflexions sur la manière dont nos sous sont gérés. Je pense que il faut ce mécanisme. Mais si le rapport vient chaque année, il passe de façon anonyme, on ne peut même pas savoir comment l'argent public avait été dépensé. Donc on retient que la Cour des comptes a un pouvoir de sanction, par exemple. La Cour des comptes a un pouvoir de sanction. Elle peut intimer à l'administration qui a mal géré le compte de revoir un peu sa manière de gérer. À partir du moment où elle, a une compétence juridictionnelle, donc elle peut rendre des sentences. Et quel est son rapport avec, par exemple, l'exécutif Comme euh, tout juge, parce que la Cour des comptes, c'est aussi un juge. Comme tout juge, la Cour ne doit avoir des rapports avec l'exécutif que des rapports techniques, pas des rapports, par exemple, de subordination. Et là, j'en viens un peu à la euh, manière dont il faut choisir le président de cette institution. Je pense que le premier président sortant a été euh, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Il a été une euh, véritable personnalité politique de la principale coalition au pouvoir. Ah, avant de revenir à ça, est-ce que c'est une exigence internationale ou ça rentre dans le cadre de la bonne gestion des affaires financières de l'État Je pense que nous avons les deux situations. Pour une bonne gestion des finances publiques, il faut une cour chargée de vérifier la manière dont le pouvoir public gère. C'est une vieille institution, même en France. À partir du moment où il y a des finances publiques, eh bien, il faut instituer un juge spécial et un but d'une certaine technicité en la matière qui va vérifier et qui va rendre une décision. Donc, de par même la question de la gouvernance, il est tout à fait indiqué que tout État souverain peut mettre en place une cour de comptes chargée d'encadrer la manière dont il faut gérer l'argent public. Mais mieux, vous avez parlé d'exercice international. Je pense que c'est très loin, mais peut-être une exercice communautaire. Aujourd'hui, on ne peut pas envisager, dans le cadre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et dans le cadre de bien d'autres institutions, même dans le sens du partenariat financier avec les institutions international, on ne peut pas envisager un État qui n'a pas une Cour des comptes. Ce n'est pas possible. Alors, qui peut-on nommer à la Cour des comptes Je pense que c'est une prérogative souveraine du chef de l'État. Mais ici, le chef de l'État, il est lié par rapport à certains impératifs relativement à la question de la justice. Les articles 116 et suivants parlant du pouvoir judiciaire, ils disent que le pouvoir judiciaire il est indépendant des autres pouvoirs. Il doit rester neutre, impartial. Donc, même si les personnes qu'on nomme présentent des garanties de compétences par rapport à la charge qu'on leur a donnée, il faut souligner que ces personnes-là doivent être apolitiques, elles doivent être impartiales. Le président sortant de la Cour de compte, c'est un juriste, enseignant-chercheur de l'Université de Niamey, il a la capacité intellectuelle, mais il a un handicap. Son handicap, c'est quoi c'est qu'il est très proche du chef de l'État, il est affiché politiquement, il a été directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, donc il peut y avoir une collision d'intérêts. Ce qui fait que sa nomination à la tête de cette institution-là, c'était une erreur. Le chef de l'État aurait dû nommer une autre personne qui n'a rien à voir avec la politique. Mais l'actuel, c'est le ministre des Finances. L'actuel aussi a été directeur de cabinet du président de la République. Il est aussi un homme politiquement affiché, ami de longue date du chef de l'État. Donc je pense que là aussi, la même inquiétude prévaut à ce niveau-là. Parce que l'actuel président qu'on vient de nommer, qui était anciennement ministre des Finances est une personnalité politique du premier ordre. Il n'est pas évident que cette personnalité-là, tout comme la sortante, affiche une certaine impartialité, une certaine neutralité vis-à-vis de la manière de regarder certains comptes de l'État. Donc, nous avons ici des institutions juridictionnelles qui doivent être indépendantes, impartiales et confiées à des personnes éminemment politiquement affichées. Et je pense que ça, c'est une véritable entorse, n'est-ce pas, au fonctionnement du pouvoir judiciaire. Et c'est à juste titre sur le Saman, dans sa déclaration, a souligné ces aspects. je suis... C'est à la sortie quand même du Conseil de la magistrature. Hein. Oui, c'est-à-dire que, qu'importe ici la forme, on peut dire qu'elle avait été respectée et du fait que c'est une délibération du Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est le profil de ces deux personnes-là qu'il faudrait ici voir est-ce que M. Al-Kash Al-Hada, qui n'est plus aujourd'hui président de la Cour des comptes, et qui est président du Conseil d'État maintenant, c'est une autre importante, est-ce que M. Sidibé, qui ont été les collaborateurs les plus immédiats du chef de l'État, les confidents du chef de l'État, est-ce qu'ils peuvent être neutres vis-à-vis de certaines gestions, de certaines affaires Est-ce qu'ils peuvent dénoncer certaines dérives financières de ce gouvernement-là ou bien de certains débonnaires de ce gouvernement C'est ça la question en fait. Est-ce qu'ils peuvent par exemple, dire que les comptes de la présidence ou de l'Assemblée nationale ou de la primature ont été mal gérés. Est-ce qu'ils peuvent être très honnêtes et très sincères par rapport à la manière dont le pétrole, l'uranium ont été gérés Est-ce qu'ils peuvent certifier, garantir la transparence, la traçabilité de tous les comptes de l'État C'est ça la question en fait. Vu leur proximité avec le chef de l'État, vraiment, il y a lieu de s'inquiéter par rapport à leur aptitude pas technique, mais leur aptitude morale à dire la vérité. Justement, le Saman a fait une déclaration pour dénoncer la nomination de ces deux personnalités. A-t-il raison Je suis tout à fait d'accord avec euh, les idées exprimées par le Saman dans leur déclaration. C'est tout à fait normal. Le Saman nous allions, je pense, l'indexer s'il n'avait pas fait cette déclaration-là. Le Saman doit sortir effectivement pour dénoncer la manière dont on fait la promotion de certaines personnalités au niveau des hautes institutions de notre pays, notamment les institutions judiciaires. C'est tout à fait normal. Je pense que, quand bien même c'est une prérogative essentielle du chef de l'État, ce dernier doit vraiment, de façon sereine, désigner des personnalités qui n'ont pas une grande connotation politique, qui n'ont pas vraiment des rôles politiques. Donc, le Saman, c'est à juste titre qu'il est sorti pour rappeler les différents caractères du pouvoir judiciaire, l'impartialité, la neutralité vis-à-vis de certains groupes d'intérêts. C'est tout à fait normal. Et je pense qu'il faut qu'à l'avenir, qu'on ouvre les yeux, que ce soit le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour euh, des comptes et même la Cour constitutionnelle, il faut qu'on institue des mécanismes, des désignations qui vont permettre d'éviter à ce que des personnalités, des hautes personnalités politiquement affichées soient à la tête de ces institutions. Ça peut infecter le système judiciaire, ça peut infecter la justice. Et je pense que ces deux nominations-là rentrent bien dans ce cadre-là. ces dénominations hautement politiques. Je pense que le chef de l'État, même dans les rangs de ses alliés, il y a des personnes capables de briguer ce genre de poste, mais qui, aux yeux de tout le monde, conserve une certaine indépendance d'esprit. Mais les deux personnes qu'on vient de choisir, je ne dis pas qu'ils vont faire un mauvais travail, mais je suis certain que M. Sidibé et M. al ne vont jamais travailler contre les intérêts du chef de l'État. M. Cartier, merci beaucoup. Je vous en prie. Les organisations de consommateurs membres du Consumer International, dont ADDC ou ADATA, ont lancé une campagne de consommateurs remettant en cause mondialement les établissements de restauration rapide vis-à-vis de la résistance aux antibiotiques. Ces organisations demandent à cesser d'utiliser la viande issue des animaux et de volailles élevées avec des antibiotiques. Mama Nouri, président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC ou ADATA, nous nous explique le danger d'utiliser ces viandes. Il est Tomiko de Tarnan Foudé Ahmad. La plupart de l'élevage intensif qui se fait dans les pays occidentaux et les fermes avicoles, euh, il y a de l'utilisation de produits chimiques et même des produits pharmaceutiques. Et parmi ces produits pharmaceutiques, c'est les antibiotiques. Ces produits-là sont utilisés pour accélérer la croissance des animaux, pour accélérer la croissance des volailles. Le but final, c'est avoir très vite de la viande qu'on va vendre dans les supermarchés, qu'on va vendre dans les grands euh, restaurants et qu'on va vendre au finish aux consommateurs. C'est pourquoi la campagne, c'est arrêter l'utilisation des antibiotiques, en tout cas dans nos assiettes, retirer les antibiotiques dans nos assiettes. Alors, euh, ces produits-là sont utilisés partout dans le monde et ça crée ce qu'on appelle de la résistance. La résistance face à certaines bactéries face aux antibiotiques. Pourquoi cela Parce que ce que nous mangeons régulièrement dans la viande, c'est les antibiotiques. Or, c'est ces antibiotiques qui traitent les maladies. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre organisme s'habitue à manger de la viande qui contient des habitudes, des antibiotiques. Et notre organisme s'habitue à ces antibiotiques. Une fois qu'on est euh, malade, même si on utilise ces antibiotiques, ça ne peut pas traiter les maladies. Alors, ça veut dire qu'il y a de l'accoutumance. Il y a en tout cas de l'habitude qui se crée, qui s'installe dans notre corps. Et ça, c'est dangereux. Si dans notre comportement, l'élevage, nous utilisons des antibiotiques et que ces antibiotiques désormais ne peuvent plus, en tout cas, traiter des maladies, alors ça, c'est grave. Et c'est ce changement de comportement qu'on veut. Abandonner l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage des animaux et de volailles. Donc là, c'est un prélude à une rencontre euh, en tout cas des Nations Unies qui va se tenir le 21. Ça peut être soit à Genève ou à New York, à ma connaissance à New York, pour influencer une décision. L'OMS a fait une étude et dans l'étude, il y a une analyse qui est claire d'ici 2025, si on ne fait pas attention, 10 millions de personnes vont mourir chaque année dû à la question de la résistance des, bactéries aux antibiotiques. Ça veut dire que c'est dû à notre comportement humain d'avoir très vite les produits alimentaires à notre portée, de manger sans se rendre compte quelque part on se fait nous-mêmes mal. Donc on peut le corriger pour, puisque c'est un comportement humain, on peut le corriger très rapidement. Grands restaurants tels que McDonald's, FKC, ces grands restaurants en même temps ils vendent aux consommateurs mais aussi ils ont des ranchs ils ont des fermes et ils utilisent ces antibiotiques pour accélérer la croissance. Et le même comportement se répercute partout dans le monde, dans nos pays. Quand vous regardez les fermes avicoles, là où on élève les poulets, les poulets de chair particulièrement, dans une ferme avicole, pour avoir un poulet de chair, c'est un mois. Un petit poussin on le bombarde avec des produits chimiques, avec des antibiotiques. En un mois, vous avez un poulet de 2 à 3 kilos. Alors qu'en temps normal, vous avez 3 mois. Si en un mois, on peut avoir ça, ça veut dire que quelque part, on crée en tout cas des cellules géantes. Et si on crée des cellules géantes, on crée des organes, des organismes géants. Et ces organismes géants, ça ne peut que, en tout cas, être que des, en tout cas des, cellules cancéreuses. Puisque les cellules cancéreuses, réellement, c'est ce qu'on appelle les méga-cellules. Et les méga-cellules, c'est en tout cas ce qu'on appelle les, c'est ça leur rassemblement qui crée ce qu'on appelle le cancer. Alors, est-ce que, est-il raisonnable pour, à cause de notre comportement, on se crée des problèmes nous-mêmes? Donc, c'est pourquoi nous rentrons dans ces plaidoyers. Même nos fermes avicoles, certaines, utilisent des antibiotiques pour accélérer la croissance des poulets. Donc, c'est une réalité mondiale ça concerne tous les pays. Et nous, nous avons le devoir, en tant qu'association de consommateurs de façon unie autour du consommateur international, de porter ce plaidoyer au niveau mondial et au niveau des États. Je crois qu'il y a une opération qui a déjà commencé au niveau du ministère en charge de l'élevage pour retirer certains produits qui ne sont pas homologués, qui ne sont pas autorisés dans l'élevage des animaux et des volailles. Ça, nous, l'avons, nous sommes au courant de cela. Est-ce que le Niger a enregistré un cas de maladie due à ces antibiotiques non, mais c'est très simple. Combien de maladies existent Vous faites un premier traitement avec un antibiotique, ça ne marche pas. Il faut changer. Il faut carrément changer cet antibiotique. Alors, le fait de changer cet antibiotique pour aller vers un autre, ça veut dire que la bactérie est résistante au premier antibiotique. Il faut carrément aller vers un autre antibiotique. C'est ça qu'on appelle résistance. De façon en tout cas euh, pratique, ça se, constate partout, en tout cas dans nos formations sanitaires. Mais ce qui est sur un répertoire dans le site de l'OMS, vous allez constater au niveau, en tout cas, de la situation sanitaire de notre pays, la liste des antibiotiques qui sont, en tout cas, euh, des, bactéries qui sont résistantes, euh, en tout cas, aux, antibiotiques. Et là, obligatoirement, puisque c'est résistant, il faut les retirer. Et pour les retirer, il faut accélérer, en tout cas, la production d'autres antibiotiques. Et là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Ça en tout cas, ça, n'arrange pas le consommateur, ça n'arrange pas le patient. C'est pour, pour cela qu'il faut une action mondiale à travers une action mondiale, il faut une action pays. À travers une action pays, il faut une action technique au niveau des services techniques et au-delà. Il faut une action directe au niveau des concernés, au niveau des, en tout cas des fermes de volailles, au niveau en tout cas des fermes euh, de, des grands ruminants. C'est de ça qu'il s'agit. Dites-nous comment ADDC Wadata compte mener cette campagne pour pouvoir convaincre les consommateurs de ces viandes qui contiennent des antibiotiques de ces gens. Alors, c'est une campagne qui a été lancée d'abord pour prendre une décision au niveau des Nations Unies pour arrêter ça. Une fois qu'il y a un acte des Nations Unies, les États doivent les transporter, en tout cas euh, euh, en, règlement ou en arrêté ou ça peut être une loi. Dès lors que c'est une loi, ce qui est sûr, il y aura des textes réglementaires et ce qui est sûr, ça va être pratiqué. Certaines musiques nigériennes véhiculent des messages qui contribuent à la dépravation des mœurs. Certains l'affirment, mais est-ce vrai Si oui, l'artiste a-t-il des limites dans sa liberté d'expression En tout cas, pour Yakuba Aruna, dit Black Muller, secrétaire général du syndicat des métiers de la musique artistique, artiste pardon, et auteur-compositeur, l'artiste-chanteur est un ambassadeur qui doit véhiculer des valeurs de sa société où qu'il soit. Ça pose une véritable problématique. Euh, l'artiste étant entre la liberté d'expression, n'est-ce pas, donc émise par les conventions internationales et les lois nationales, même si quelque part euh, elles sont limitées, ces libertés-là. Et de l'autre part, ça pose, n'est-ce pas, donc la question de la morale au cœur de l'activité artistique. Donc, ceci dit, on ne sait pas concrètement est-ce qu'il faut euh, tenir compte de la liberté d'expression pour que l'artiste se sente libre de dire n'importe quoi dans sa société ou bien dans sa création, il doit tenir compte de la morale. Toute la problématique est là et c'est comme en politique, ceux qui disent qu'en politique, il n'y a, pas de morale. Or, euh, euh, nous, nous nous inscrivons en, faux. Dans toute chose, il y a la morale parce que l'artiste est par extension, comme je dit, l'homme politique est un furieux de la société, donc il est dans un environnement social. Donc, il y a certaines limites à l'activité artistique. Nous avons travaillé beaucoup euh, sur les statuts de l'artiste au Niger. Donc, nous faisions partie du comité qui a élaboré ce texte. Donc, il a été énoncé quelque part que euh, ceux qui font euh, la dépravation de Mers et, qui font l'apologie de la pédophilie et choses, en, en, tout cas tous ceux qui rentrent dans le canevas de la dépravation de nos euh, n'auront pas ce statut-là. Même si quelque part, comme on dit en économie, la loi de l'offre et de la demande, c'est que s'il n'y a pas cette demande quelque part, il n'y a pas d'offre ou bien si l'offre n'est pas acceptée, elle va s'estomper d'elle-même. Est-ce que sa musique a sa terre d'élection Et au-delà de son rôle en tant tant qu'ambassadeur ou de promoteur de la culture dans sa globalité, est-ce qu'il a sa place, n'est-ce pas, donc, euh, dans la société ou bien ses activités ou bien ses produits culturels ont leur place, n'est-ce pas, donc là où il n'y a pas la morale. Je crois bien que c'est cette question que l'artiste lui-même doit se poser, la société doit se poser, ses fans doivent se poser et c'est vraiment fondamental. Et, même si cet artiste ou ce groupe constitue quelque part euh, une image, un symbole euh, de notre pays, par exemple un artiste ou un un groupe eh, qui représente valablement le Niger euh, sur le plan mondial. Est-ce que euh, cet aspect ne, pourrait pas peut-être jouer en, la faveur de cet artiste ou de ce groupe, de, quand même euh, répondre à certains critères pour être face à la demande peut-être mondiale ou à l'image des autres artistes des autres pays de la sous-région Je vous dis à l'introduction, moi je suis un auteur, j'écris des chansons. J'écris mes propres chansons et j'écris beaucoup de chansons pour, des chansons pour d'autres artistes. L'artiste n'est pas tenu, n'est-ce pas, donc de faire des diatribes ou, je ne sais pas, des, textes qui vont à l'encontre des réalités sociales. Ce n'est pas seulement de cette optique-là, comme vous le dites, qu'il peut représenter valablement le Niger. lorsque le critique de l'art prend ces textes et que les étudie, c'est dire qu'il y a plusieurs possibilités, indépendamment, n'est-ce pas, donc, de ce genre de textes pour représenter et euh, valablement aujourd'hui ce qui anime la world music des autres nations euh, ne passe pas forcément par, euh, n'est-ce pas, donc, ce, ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a aussi un phénomène de mode, hein, mais vous avez vu, ce n'est pas seulement le cas au niveau national. Dans certains pays, j'ai vu, il y a eu récemment le cas du Cameroun et bien avant le Cameroun, il y a beaucoup de, de des œuvres n'est-ce pas, donc, ont été censurés parce que on, euh, le public, la population ou même le pouvoir public a jugé utile que euh, ce sont des chansons qui vont à l'encontre, n'est-ce pas, donc, des réalités sociales qui font de la dépravation des mers. C'est le poids qu'il faut voir. Est-ce que c'est positivement ou négativement parce que j'ai dit, euh, phénomène du monde a fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on met le projecteur sur la dépravation des mers président de la Fédération nationale des associations artistiques et culturelles, Rachid Draman, le Niger gorge de valeurs culturelles qu'on doit mettre en avant. Ce qu'il faut se dire, hein, c'est la chose a été biaisée depuis l'instant où on parle de d'une certaine génération consciente. Est-ce que conscience rime avec euh, dégradation des mœurs, euh, des, des traditions ou des valeurs Moi, je crois que non. Si nous prenons la musique en tant que telle aujourd'hui, si nous parlons des classiques, en tout cas de mémoire d'homme, je n'ai pas souvenance dans les classiques, en tout cas que moi j'ai eu à connaître de la musique où il y a des propos, n'est-ce pas, biaisés. Sinon, ces musiques-là n'auraient pas été classées dans le classique. Quand on revient à notre temps, un phénomène de société peut se jouer sans qu'on y apporte de la dépravation, quel qu'il en soit là-dedans. Avant, d'arriver à, à notre temps, ça veut dire qu'avant, hein, avant, est-ce qu'on n'avait pas quand même des artistes qui, euh, en tout cas, euh, faisaient euh, entre guillemets, de la dépravation des mœurs Est-ce que ça veut dire qu'on avait des artistes clean, clean, ou bien quelque part cela existait, mais pas euh, de façon visible Est-ce que ces artistes, quelque part, ne puisaient pas dans la tradition Et vous savez, dans notre culture intrinsèque, de tous les temps, il y a eu des artistes qui ont toujours euh, chanté sur des fichiers, mais avec des, des insinuations. C'est des insinuations, c'est-à-dire ce que les gens disent aujourd'hui à mots découverts, se disaient à l'époque, à mots couverts, il y avait des nuancements. On n'a pas besoin de parler terre à terre pour que les uns et les autres comprennent. Mais aujourd'hui, la jeunesse a tendance à se dire que il faut le dire cru, mais on a besoin d'une certaine morale quoi qu'on fasse. Voyez-vous? Et la liberté dont les jeunes eh, prédisposent aujourd'hui pour se permettre certaines choses. Quand on parle, restons dans le cas du Niger, quand on parle de Dagaba Ebaya par exemple, déjà, ça donne une idée de la chose. Et il n'y a pas que ça. Vous êtes d'accord avec moi que vous, en tant que parent, aujourd'hui, vous êtes au salon avec vos enfants, devant la télé, par exemple, et qu'il y a une musique, par exemple, d'artiste où il se dit des choses biaisées. Vous êtes gêné. Vous êtes, euh, l'artiste, avant d'être artiste, est issu d'une société quand même où la morale est une valeur. Et est-ce que c'est pas pour répondre à un besoin hein, de compétitivité mondiale? Aujourd'hui, on voit l'exemple euh, de certains pays de la sous-région ou euh, et qui sont vraiment classés, connus sur le plan musical, sur le plan mondial. Est-ce qu'aujourd'hui sur le Niger où les artistes, les artistes musiciens et chanteurs nigériens restent en marge euh, de, cette tendance pourront se faire une place euh, et sur le plan mondial Je n'ai pas souvenance en tout cas d'une société quelle qu'elle soit, musulmane ou chrétienne ou même athée, où on se permet ce libertinage à, ciel ouvert, si j'ose euh, l'appeler ainsi. Ça se joue. Nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs qui peuvent s'exprimer, que ce soit en musique, que ce soit en danse, sans aller dans les travers. Pour parler de récemment, l'artiste camerounais qui a chanté par exemple le morceau est la petite. est la petite, c'est une belle rythmique de musique. C'est une musique compétitive. Mais quand on prend le contenu, ça biaise tout de suite. Le réseau des journalistes culturels du Niger, dont l'un des objectifs est de contribuer à la promotion de la culture nigérienne, pense que la musique nigérienne doit s'adapter au concept de la mondialisation tout en ayant un rôle d'éducateur. Écoutons Diararo Maman, le secrétaire général du RJCN. Quand vous regardez euh, le texte constitutif du RJCN, du réseau des journalistes culturels du Niger, la question euh, d'éthique ont été prises en compte par les membres fondateurs du réseau, quand on sait que l'un des objectifs majeurs qu'on s'est assigné à, à ce réseau, la promotion de la culture nigérienne en général, donc la musique nigériennes y compris. Nous, nous, nous essayons de, de, faire un retour vers les valeurs qui puissent apporter un plus dans la promotion de, de, la culture nigérienne. Et lorsqu'on parle de culture, on parle de l'éducation. Ça veut dire que le réseau ne peut pas euh, faire la promotion de la musique qui a une tendance à faire la promotion de la, de la déprévation de mœurs. C'est dire quoi c'est dire que nous, dans le combat qu'on fait de tous les jours, c'est faire la promotion de la musique qui euh, s'appuie sur les valeurs culturelles, y compris euh, les, mers nigériennes. Et c'est cet aspect-là que le réseau euh, s'engage dans les autres compartiments de, culture, quand vous prenez la musique, l'art et les autres, la peinture. On ne peut pas faire la promotion de, quelque chose qui puisse être nuisible à la société. Est-ce que euh, vous avez peut-être euh, euh, répertorié un certain nombre de, chanteurs dans, dans, ce sens qui font peut-être du bon boulot ou est-ce que vous aviez aussi répertorié des, des, chanteurs ou un groupe qui rentre dans, dans cette ligne dont dans cette ligne dont vous venez de parler On fait, on essaye de voir quels sont les, les, artistes, quelles sont les chansons qui participent au développement de la culture nigérienne et au-delà qui puissent eh, apporter économiquement un plus et au Niger et aux, promoteurs de ces, eh, de ces chansons-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on devrait faire la part des choses entre la chanson qui participe au développement de la culture et la chanson qui participe à la destruction même de cette culture-là. Vous savez que euh, nous, à partir de là, on fait, personnellement, je fais une lecture de des chansons d'animation, des chansons, euh, ce qu'on peut appeler des fois dans le répertoire de la musique urbaine. Il y a des musiques qui ont vocation d'amuser le public, d'entretenir le public en haleine, mais qui n'a pas une vocation à faire la promotion de la culture ou à aller loin. On le voit euh, tous les jours. Euh, ces chansons-là, d'ailleurs, ont fait l'objet par beaucoup de citoyens nigériens de, de, remarques notamment euh, quand vous prenez des chansons qui ne vont pas au studio, ce ne, ce ne sont pas des chansons qui vont euh, au studio, mais c'est toujours des chansons de cérémonies, c'est des chansons de manifestation qui prennent de l'ampleur. Aujourd'hui, quand vous regardez les musiques, la, la, musique urbaine n'a d'autre contenu que ce, ce genre de, d'expression perverse. Euh, aujourd'hui, un exemple palpable d'un groupe qui actuellement, euh, en tout cas, est un groupe qui est connu mondialement, le Tal National par exemple. Et, que, que pensez-vous de, de, de, ce groupe, euh, de ses chansons et puis, euh, en tout cas, de tout ce que ce groupe-là fait Est-ce qu'on peut dire que le Tal National aujourd'hui, en fonction de ce que vous venez d'expliquer, fait partie des, des, de, ces chanteurs, de ces artistes, de ces musiciens qui font la promotion de la culture, de la musique nigérienne. Ah oui, je pense que le Tal a, déjà dépassé les frontière. Il a fait connaître le Niger à l'international. Mais lorsqu'on parle de la culture nigérienne, il faut voir tous ces aspects-là. Lorsque euh, un groupe a une aura plus ou moins internationale, il peut nécessairement pas avoir un ancrage au plan national. Mais il peut, il peut avoir aussi l'inverse. Un groupe euh, musical qui a un ancrage national, mais qui n'a pas une portée internationale, ça veut dire qu'il n'arrive pas à convaincre au plan international. Mais l'un de l'autre, puisque nous parlons de la culture nigérienne, nous, ce qu'on veut ressortir, à l'image d'autres pays, c'est qu'ils consentent le répertoire d'une musique nigérienne. Et dans ce répertoire-là, on doit faire la promotion de valeurs positives, de valeurs de développement, de valeurs qui puissent apporter, qui puissent éduquer, sensibiliser, euh, que le folklorique, puisqu'on a l'impression que c'est les musiques de... Il y a les, que j'appelle la musique urbaine, c'est cette musique de boîte de nuit, de spectacle qui amuse les jeunes, les adolescents, mais qui n'est pas porteuse de, messages de, de sensibilisation, d'éducation. Est-ce que le TAL aujourd'hui, à travers ces que les, chanteurs de ce groupe disent à travers les paroles, à travers les danses, à travers l'incitation, des, par exemple, des gestes vulgaires. Ce groupe-là répond sur le plan national à, quand même euh, un groupe qui fait la promotion de la culture nigérienne. Il y a la promotion de la culture nigérienne. Maintenant, c'est dans la culture nigérienne, puisque à travers Tal, euh, il y a une identité, une identité culturelle qui se retrouve. Et même musicalement parlant, comme on dit, il y a une identité identité culturelle qui s'exprime à travers la, la Mais l'un de l'autre, lorsque vous regardez, euh, lorsqu'on parle de contenu et lorsqu'on parle du décor, est-ce que à 100% on retrouve euh, cet aspect éducation cet aspect formation, puisque le, le groupe euh, ont aussi vocation à former, à sensibiliser. Il y a cet aspect-là. C'est pour cela que je parle de la musique urbaine. Dans beaucoup de, vous trouverez des chansons qui ont vocation à faire la promotion de la musique nigérienne et vous trouverez aussi des de chansons qui ont vocation folklorique, qui n'a rien à voir avec l'éducation. Qui n'a Alors qu'est-ce qu'on peut reprocher au, au TAL Je pense que c'est de continuer à réfléchir, c'est de continuer à écouter les Nigériens, c'est de continuer à, voir au-delà de cet aspect folklorique, au-delà euh, de cet aspect attrayant pour les jeunes, quel est le message qu'il faut profiter. Aujourd'hui, ils ont un ancrage, certes national et international, mais ils doivent saisir cet ancrage-là pour passer un message utile. Tal est écouté par la jeunesse nigérienne, donc il a une autre mission, celle d'éduquer, celle de faire passer un message. Je pense que c'est à cette deuxième étape que Tal devrait penser. Euh, je ne sais pas s'ils sont déjà dans cette vocation, je ne sais pas s'ils sont dans les studios, mais je pense qu'ils sont dans ces répertoires-là. Ils ont ce devoir de faire passer un message, ils ont ce devoir de faire ressusciter la culture nigérienne qui a un certain nombre de valeurs, de mœurs, d'éthique. Ils doivent l'entretenir ils doivent dépasser le passage folklorique. Quand on regarde les danses que qu'effectuent les fan euh, du tal national. Donc euh, le, le, tal incite quand même à une certaine danse que beaucoup de, Nigériens qualifient de danse de, de, perversion. Mais le tal retorque quand même, parce que nous avons eu à discuter avec ce groupe, que ce sont des, des, des danses traditionnelles, que le tal euh, s'inspire de ces danses, les modifie un tout petit peu et pour rendre plus agréable ces danses ou pour souci de compétitivité Hein, sur le plan mondial. Vous avez jamais porté un regard euh, sur euh, ces aspects. Oui, c'est pour cela que je dis que, que le porte, quoi qu'on dise, dans euh, l'expression musicale, y compris la chanson et la danse, il y a un aspect de la culture nigérienne. Peut-être qu'on peut appeler tradit moderne, puisqu'il part à partir de la tradition, il, a, fait un arrangement, il l'adapte au contexte actuel. Euh, ça veut dire que c'est toujours la culture nigérienne, un point de la culture nigérienne que Tal fait passer comme message. Mais quand je regarde au niveau de, euh, du contenu de la chanson, c'est là où je dis, il y a le folklorique, et aussi, il faut penser au message qu'il faut véhiculer. Et ça, c'est pas le propre de, seulement. On a comme l'impression qu'il y a un souci de s'adapter au temps et aux besoins du public. voilà donc euh, c'est la fin de ce forum. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.